Karimata Diallo. pourquoi tu as choisi de faire la boxe Parce que je aime la boxe. Mhm. Pourquoi d'autre et encore, et encore j'ai deux médailles encore. Paraît-il que vous êtes la reine Oui. Mhm. Qu'est-ce qui a fait de vous une reine Qu'est-ce que vous allez gagner pour être reine On a gagné pour le médaille. Non tudd Hussein Tu Hussein, quand tu as commencé le def Il n'y a pas a pas très longtemps. Uh-huh. c'est mon père qui m'a inscrit ici. j'ai dit à mon père de m'inscrire au boxe. mon père m'a amené ici pour se défendre. Uh-huh. et tu as aimé. oui tu as aimé la boxe. oui c'est sûr. je m'appelle Alpha Ibrahima Diallo. pourquoi tu as choisi de faire la parce que, parce que j'adore la boxe. Pourquoi tu l'adores C'est pour se défendre, c'est pour se battre ah, Je voulais battre mes, mes amis à l'école là-bas. Quand j'étais petit comme ça, là, je ne pourrais rien battre. Uh-huh. C'est pourquoi ma mère m'a inscrit ici. Uh-huh. Est-ce que tu as une fois participé à une compétition de boxe Oui. Où ça ah, En Guinée, là-bas, je, ne, suis pas rentrée. ici Ici, là, je suis rentrée. Uh-huh qu'est-ce que tu as eu comme récompense Médaille d'or. Ah ouais Présente-toi, tu t'appelles comment Junior. Junior. Qu'est-ce que tu fais comme activité Je fais du football et du boxe. Pourquoi la boxe Pourquoi le choix de la boxe Oui, je fais la boxe comme ça, bam bam. Elle fait la boxe euh, et du football. Euh, ma mère m'a amené ici. On a quitté chez ma grand-mère euh, parce que je veux rester à ce foire. Je fais de la boxe et du football, je tire très fort. Et tu as une fois gagné une médaille dans la boxe Oui, j'ai enfin euh, gagné une médaille dans la boxe. Ça moi, papa pas pour moi ah, ah. une défi. de boxe. waaw. boxe lan a gagné si boxe. coupe médaille diplôme. Ah. fan une médaille place de l'Indépendance parkaan dama doon boxe kooku ma gagné ko boxe xam naa si lu bëri xam naa si esquive direct solgan ñëw